Tu as quoi Avec tout ça là. Ça là. est Avec ça là. c'est Ça là. Tu as fait. fait. Il y a un an. Pourquoi tu as fait Non, non, non, non, non, pardon. Non, pardon. tu as fait avec ça là. Ça, tout ce qui est ici là. Aïe, ah, maman, c'est pas fini. Ça là, c'est ça là. Donc, attends, paye, il y a ça là. Donc, non, maman. Il ah, doit manger à la maison ici. Tu as, tu as, tu as mal à Oh, maman. J'ai dit. Yes. Ah. Mon poulet. Mania, oh. Ah, moi, où porte là Moi, j'ai fait. Moi, pourquoi tu te comportes comme ça même Il va demander, il va appeler de la Ouattara. Hein? Il va te. Qui qui peut croire tout ça Ah, maman ça, ça. Tu cherches, tu as fait. Ah, non, pas à ta, non, il est dans le Non, tu fais à crédit. Ah non, mon toi aussi. Je suis désolée. moi, je fais des. On mon là, on porte là, on porte là.